Amul et tous à la Fada, bienvenue dans votre émission. Aujourd'hui, nous sommes dans un décor particulier. C'est la première Fada qu'on enregistre à quelque part du fleuve. Toi yanzu, wana isa dan mu ce mata ina kwana yanzu mi wata waka ta Fatima Riko ta ma isa wata waka da ta ce arziki ne. Muna iya yin dan taken kaɗan tare da ku isa ta mu arziki ne ku bai ni marhaba isa ta mu arziki ne Bienvenue dans tous à la fada da fatan kuna lahiyar A fadar mu ta yau baban zaba muka zo bakin isa. Wata hira ce za mu yi hirar kariyar muhalli yanzu ko ina zancen ne a rediyo a talabijin canjin yanayi kariyar muhalli matasa da dama sun sa kansu cikin wannan yakin. To justement wannan matasan muna tare da su a nan Hassan Alfari Nafisatu de la JVE Jeune Volontaire pour l'Environnement. Ça va Nafisa? Tu vas bien? Nous sommes également avec Ismaël euh, Abdraman, Save Environment.

Nous voulons tout savoir à la FADA. Dans cette FADA, nous aurons également l'avis des jeunes sur votre combat, nos incontournables pauses musicales et la chronique de la FADA. Aujourd'hui, nous allons parler du froid. Il fait froid, Olivier. Le guide climatique du Niger fourni par Pain pour le prochain et Entraide protestante Suisse et Père en août 2009. Au Niger, le changement climatique affecte les systèmes sociaux, économiques et naturels. Les impacts prévus au Niger sont <laughs> akwai aiki <laughs> abin da yana ba da tsoro to yanzu kamar kakan da muka gane shi dai wannan canjin yanayin ya yi taba yan karkara tambayar mu ta hari mhm. zan zo gare ka ismail shak peyi ko a ce shak zon a ses réalités kan tisashi da cause u ou des impact du changement climatique a nan ga mi ke faruwa ne matsalar mu a nan kasa tamu kuna iya gaya mana nan ga shayar Eh, mu matsalar mu ta canjin yanayi ma'ana changement kilimatik matsalolin suna da yawa muna iya mu ce eh, matsala ta hari eh, a cikin abin ga lokacin damana ma ba mu samu ruwa na kamar yadda muke samu a lokacin nan wurin makiyaya kuma muna nan ga constate fitita fiti kamar suna nan ga a nasu dabbobi wurin manoma su kuma har yanzu mun yi constate da kamar abun ga akwai rishin randaman kamar yadda kun ka gai noma ba ta nan gaba da kamar yadda take badawa mm. lokacin nan ma'ana kenan for consequence muna iya mu ce kamar ba mu nan ga samun abinci yadda ya kamata ba mu nan ga fuddo abinci cikin kasar mu kamar yadda ya kamata wanga kamar justa kalilan uh, ne daga cikin abin ga uh, uh, canjin yanayi a nan abin da muke gani yanzu yanzu ba mm-hmm. to dama ai a wannan fadar muna nan ga shirin wani wanda muka gayyata usman shebu yanzu ya iso usman shi kuma ana iya cewa kamar yakin da suke nan neman dabarun da za a yi a rage wannan bannar ta canjin yanayi ko a ce sare-saren itace ko bannar ruwa ko wani abu haka ne ko usman eh, ban mace ba ko haka ne to ya gwarmaya ana ta yi ana ta yi yanzu tambayar ka ka tarra kamar yanzu in a ce kowace ƙasa tana da reality kinta kowace ƙasa da abun da yake damunta munan nijar daga an zo miye za a ce miye matsalar mu bisa kan harkan wannan changement climatic ko ko protection de l'environnement mm. tunda mun lura mun gani yanzu kamar yanzu kasashe na Sahel mm. Niger kamar Niger a lokacin nan ana cewa le eh, Niger degré chaleur eh, zahin mm. ya karu tunda muna zuwa 38 degree har ya kai jiska 45 degree en 2011 inda kuna tunani eh, eh, kuna mm. sai da aka kai jiska 47 degree mun ga mutane da yawa hospital wanda suka rasu wanda ba su da lahiya wannan zahin yasa suka rasu abin shalar da ta kai musu shi in kuka diba kuka gani rayuwar dan adam yana son sulhu to sulhun nan da muka muka diba deux mots tu me dis quand on dit changement climatique. ça. quand on dit changement climatique au Niger, on retient quoi euh, Qu'est-ce qu'on voit là tout de suite Qu'est-ce qui tape à l'œil quand on dit changement climatique, ce qui tape à l'œil, pour moi, directement, c'est vraiment euh, la, la, réduction de surface de nos forêts. Ah ce que, je, que de, la brousse, en fait, du bois, mhm. on constate qu'il n'y a pas beaucoup d'arbres. Euh, donc là, il y a cette réduction-là. Il y a également euh, la chaleur. Donc c'est ça, actuellement, quand on dit changement climatique, c'est la hausse de la température moyenne du climat. Donc ce qui fait que... on le ressent bien ici. On le hein. ressent bien au Niger. Quand il fait chaud, il faut sérieusement chaud ici. kan na kariyar les jeunes qui luttent pour le changement climatique, nous les encourageons. Ils sont en train de, de donner un bon exemple pour la jeunesse nigérienne en, général et en partant que nous sommes les courses intellectuels pour pouvoir donner de bons exemples. C'est un honneur pour nous d'engager un combat, un combat de lutte. Mais comment engager ce combat C'est de voir les autorités politiques parce qu'il faudrait qu'on dénonce. aussi aujourd'hui, nous voyons les gaz à l'effet de serre. Comment ça se fait donc La jeunesse qui est en train de lutter, il faut qu'on les accompagne. Les arbres qui sont ici, là, les érosions et qu'on sort tout ça là. C'est des choses que l'État devait créer toutes les conditions pour que nous puissions au moins se maintenir les minimum des choses que nous avons devant nous. Le climat aussi a besoin d'entretien. Voilà. <coughs> il disait le climat aussi a besoin d'entretien. <laughs> De, yanzu in dawo ga Ismail kun ji matasa suna yaba da aikin da kuke yi kuma wannan keshiyon kin ta kariya muhalli su ma tana taba su tout à fait mm-hmm. dole abin ga question ya taba su euh, c'est un sujet qui n'épargne personne mm-hmm. c'est euh, un sujet d'actualité donc euh, c'est normal que ça soit généralisé et je remercie les gens qui, qui, accompagnent ou qui apprécient de près ou de loin le, combat de tous les acteurs de, de, l'environnement. Et euh, je dis également qu'ils ont totalement raison. le gouvernement nigérien doit soutenir la lutte que les jeunes font euh, à l'endroit du climat, à l'endroit de, l'environnement, et euh, qu'il y a beaucoup de travail à faire également. Yo, nous, chez nous, par exemple, merci beaucoup. Chez nous, à Safe, par exemple, nous avons euh, développé un outil de communication. Euh, c'est <laughs> ce qu'on appelle le, euh, en anglais self-responsibility. c'est-à-dire l'autoresponsabilité en français Ah, ça, ɗaukan abun ga ɗaukan nauyin <laughs> abun da kake nauyin kamar ka ɗauki kariyar kanka da kanka kake ta karkara kuma yanzu hausa ta ga ka ɗauki kariyar kanka da kanka mu kwatanta musu da ba wanga wuri da kuke wurin ku ne ba wurin mu bane to yanzu da na gane ku ku program kin ku wannan na fadakarwa ne to yanzu in dawo a fes shebu ko kuma a fes ya ne kuke ya ne kuke kuna wannan nutkin taku Oui, avant de, répondre à, cette question, je, reviens un peu en arrière pour euh, évoquer le problème de euh, la consommation même en tant que telle, ou bien euh, parce que nous, c'est d'après une étude qu'on a réalisée, on a constaté que le gros consommateur se trouve en milieu urbain. L'année passée, on a fait une enquête ici et que ce soit sur l'axe de Harubanda, mm. l'axe de Dosso et l'axe de Walam. Donc on a constaté en moyenne chaque jour, chaque jour plus de 45 camions chargés de à peu près de 20 tonnes de bois rentrent à Niamey mm. sur chaque axe. Vous, travaillez sur le... Oui, et chaque camion, au moins, si vous constatez, ça, ça, consomme au moins 4 euh, à 5 euh, stères de bois. Et là, c'est énorme pour un pays sahélien. Et le danger est énorme. C'est pour cela que nous, on a vraiment attiré l'attention. Euh, de, nos gouvernants, <laughs> uh-huh. des autorités en place, celles que le, ministre, le ministère de l'Environnement. Donc, ce zoo Aïki, puisque pour revoir la situation, comment eh, faire une euh, analyse ou bien une sensibilisation à la base pour permettre à la population de, euh, de substituer la consommation de ces bois-là. Éco-responsable, autre... ake tu ko min consommation écologique écologique haka ne ko eh oh, ouais. haka ne ko consommation écologique to yanzu bari mu dawo ga GVE madam Nafisa gaya mana ku kuma yaya ne kuke wa'annan mutanen na tunda wannan dai matsala an sana a karkara ce take yaya ne kuke kuna kuna ciwo ma wannan ciwon a Niamey par exemple nous avons mis en place euh, le système des clubs verts des jeunes et c'est des jeunes des, euh, différentes écoles de Niamey hmm. qu'on regroupe en club vert. Et avec ces jeunes-là, on est, avec ces jeunes-là, nous essayons de faire une éducation environnementale à la base. Donc ces jeunes-là. Euh, font des études scientifiques sur le changement climatique. Ils ont assisté dernièrement à Maradi à la fête euh, de la science. Ils font des études sur les dunes de sable, sur euh, les souchets et tout. Mais également, ils, font la promotion d'une responsabilité environnementale dans leur école ils ont des pépinières, ils sensibilisent leurs camarades. Donc vous, commencez par les plus petits. Et c'est pas Kanyamé. Et c'est bah, pas Kanyamé, Dernièrement, nous avons mis en place un, autre club vert à Difa même. Également, euh, nous faisons la promotion de, des nouvelles technologies, des énergies alternatives au bois de chauffe. Nous faisons la promotion, par exemple, du four à balles de riz qui utilise la balle de riz comme résidu, euh, la balle de riz, résidu du riz, comme euh, une alternative au bois. Au lieu que les femmes utilisent le bois, c'est la balle de riz. da kuma kamar a fes kenan kuna nan kuna yaki basa kan dai sare itace kuma kamar abin da muka rawaito ne a wurin naku kuma education kin kuke ma yara da kuke horar da yara kankana su sani da an zace su har kariyar muhallin da suke rayuwa a cikin shi to muna so mu tana ma duk mashurarin da suna iya aiko mana ra'ayinsu a basa kan lambar mu ta WhatsApp tamanin sifili shida tamanin da takwas hamsin da hudu wannan fadar dai zan mu shakata kaɗan cikin ta kamar an daga amkuɗa zumun na bakin isa muna bakin isa kenan dole ne ba isa waƙar da fatima riko ta mata retourne à la fada, en face du fleuve. <laughs> Comme l'a dit Fakti Mariko Issa Gatamu, Arzikicho, comment on est Issa, hira da Tayo Ta yau, an za arzikin da Allah ya bamu. Da isan da gulbi-gulbi da ke cikin jihohinmu da itacen namu da gonakan namu yau hira kare shi muke nan tare da matasan da muka gayyato muna tare da Monsieur Usman Shaibu na APES de Hassan Alfari et et comme JVET, jeune volontaire pour l'environnement, Ismaël Abdurrahman, Save Environment. Ça ne doit pas être facile de s'attaquer à un si grand problème. Quel soutien avez-vous Ismail. Muna aiki da gwamnati. Gwamnati tilas ne mai aiki da su saboda su son le premier partenaire kuma su ne suke baku takarda wanda zai baku abun ga daman ma yin aikin na kariyar muhalli. Na biyu kuma eh, da ba gwamnati ba akwai mutane da yawa wanda suke kawo mana taimakon su akwai 'yan uwanmu ONG akwai les ambassades kamar yadda eh, uwanmu ta jive ta gai mm. akwai kuma d'autres institution wanda suke, ah, suke kawo nasu gudunmuwa cikin abu kamar yadda abokinmu yahudi puisque shi gwamnati shine ginshiki c'est le premier partenaire donc eh, duka abin da ya kamata mu yi sa cadre dans sa politique sur l'environnement duka on est euh, on fait un programme inclusif qui cadre avec le programme national pour répondre ou bien pour contribuer euh, à l'objectif global. Visé, oui, Dans le cadre du plan global, du plan national euh, Chine ake kira PDS. Ouais, attends, j'y veux. comment déjà, ça vous avez pas mal de partenaires. Et comment se passe ce partenariat Est-ce que on va vers quelque chose, on arrive à faire quelque chose, ça va euh, oui, je peux dire que ça va. notre premier partenaire, c'est bien sûr l'État à travers euh, le ministère de l'Environnement. Et donc, on travaille beaucoup avec le ministère sur les questions techniques. Ils, ils, arrivent quand même, ils nous ouvrent leurs portes, non seulement le ministère, le CNDDD. Donc, on, arrive, on, travaille vraiment avec ces deux entités de l'État. Au-delà de ça, nous travaillons également avec euh, les ambassades, comme il a dit. Maintenant, le fait que vous soyez des jeunes, écolo écolos, jeunes activistes, ça se passe c'est plutôt facile d'avoir de l'appui dans vos luttes ou c'est plus compliqué Smaël Il y a des, fois où ça rend euh, l'accès aux ressources un peu compliqué et il y a des fois où ça joue à notre avantage. Alors, par exemple, euh, quand, on a un dossier allant dans... Euh, euh, un projet dans la mm. protection de, l'environnement mm-hmm. ou la résilience face au changement climatique. Euh, il y a des institutions dont, par exemple, quand nous nous dirigeons vers eux, euh, il y en a qui jugent, bon, c'est des institutions pour la plupart souvent nationales, il y en a qui jugent directement par l'âge, les niveaux d'éducation, les niveaux de compétences, d'expérience. Du coup, ils il ne nous donnent pas vraiment la possibilité ou l'accès à ces ressources. Et il y a des institutions dont, euh, quand on se dirige vers eux, ils voient des jeunes engagés, des jeunes qui ont besoin d'un encadrement, des jeunes qui ont besoin de, de, plus de formation et des jeunes qui sont avant tout désirés et qui ont la volonté de les de manière volontaire sans s'attendre à un revenu ou, quoi que ce soit. Donc là, on peut dire que ça joue à notre avantage. Ok, c'est juste une petite parenthèse pour vraiment comprendre comment ça se passe avec vous. ce on la première marche en faveur de l'environnement au Niger. Mm. On l'avait fait en partenariat avec d'autres structures des jeunes. Donc je peux dire que le partenariat avec euh, les autres structures euh, nationales de jeunes qui militent dans le domaine de l'environnement, ça, se passe, hyper ça super bien parce qu'on organise des activités ensemble. Et même euh, la dernière COI 5 qu'on a organisée, c'est le Forum national des jeunes sur le changement climatique et le développement durable au Niger. On l'a organisé également avec 15 ah, entre autres vous, ça Se passe bien. Entre nous, ça se passe bien. Ok, super alors wannan shirye-shiryen suna birge ku kuna iya aiko mana tambayoyinku ku aiko mana ra'ayinku a bisa kalamun ta whatsapp 80 06 88 54 un autre euh, tour en musique cette fois-ci avec euh, Hiro de Soprano. Et ça, c'est pour vous. Big up à nos héros de l'environnement. merci, <laughs> c'est pour vous qu'on le lance. Big up non, hein, aussi à Studio Kalangu qui nous a fait l'honneur de, d'être là. Ouais, et bah, de voilà, de on ce que nous faisons. Euh, Hiro de Soprano. Si j'avais eu le pouvoir de Hiro Nakamura, je serais parti revivre la naissance de Lenny et d'Inaya. J'aurais été à Sana, boycotter le décollage de la 310 de la Yémenia. J'aurais été voir mon grand-père une dernière fois, lui dire que je m'occupe de sa fille, qui ne s'inquiète pas. Je serais parti voir Martin Luther King, après son discours, lui montrer la photo de Barack Obama. J'aurais été au temple d'Harlem, poussé Malcolm de la Seine avant qu'une balle l'atteigne. J'aurais été dans la cellule de Mandela pour lui dire tiens le coup, tes idées seront président du Sud-Africa. Amoureux de Lady Diana, j'aurais créé un gigantesque bouchon sous le pont de l'Alma. J'aurais été aux Bahamas, pas pour les vacances, mais pour vider la soute de l'avion d'Aliyah le pouvoir de Hirona Nakamura. J'aurais été au combat de Mohamed Ali à Kinshasa. Puis j'aurais été fêter l'indépendance de mes Comores. Dans les bras de mon grand-père avant sa mort. Puis un petit tour au Paris-Dakar en pleine savane pour boycotter l'hélico de Daniel Balavoine. Moi qui aime les vérités de ceux qui portent mes rouges J'aurais été crever les pneus d'un moto à Coluche. J'aurais été accueillir Mahomet à Médine, puis aller voir la mer rouge, laisser passer Moïse. J'aurais été à la naissance du fils à Marie. Deux heures après faire la marche du sel avec Gandhi. J'aurais été m'asseoir auprès de Rosa Parks, puis à Woodstock pour vivre un live de Jimi Hendrix. J'aurais été à l'anniversaire de la Motown pour aller voir Michael nous faire le moonwalk. J'aurais été à New York pour déclencher à 7 heures une alerte à la bombe dans les deux tours. J'aurais été en Irak apprendre aux journalistes a mieux viser avec leurs chaussures. J'aurais été en Afghanistan, Jeter les caméras de la dernière interview du commandant Massoud. J'aurais été en Angola pour aller dire à l'équipe d'Adebayor de ne pas prendre la route. J'aurais été à Clichy-sous-Bois débrancher le transport de DR avant que si des pouna arrivent. J'aurais été chez Kunta Kinte ou sur Corée pour leur donner des fusils avant que les colons arrivent. J'aurais été voir les tirailleurs africains pour leur dire qu'on traite leurs enfants de sales migrés J'aurais été en Autriche J'aurais tout fait pour que les parents d'Adolf Hitler ne se rendent jamais Même si j'avais eu le pouvoir de Nakamura Qu'aurais-je fait pour Haïti, le tsunami ou Katrina Qu'aurais-je fait pour l'Alaska Tout ce que la nature nous a donné, la nature nous reprendra Tellement de choses que j'aurais voulu changer ou voulu vivre Tellement de choses que j'aurais voulu effacer ou revivre Mais tout cela est impossible ami Donc j'aspire un grand coup et je souffle sur ma trentième bougie Retour à la fada où nous parlons de Karia Mohali, nous donc changement climatique. Avec nos invités, nos jeunes euh, héros de l'environnement, nos jeunes activistes qui luttent contre les dégâts du changement climatique au Niger. Dernière question de cette fada. Qu'est-ce qui vous bloque dans votre élan de quoi avez-vous besoin pour mener à bien votre lutte Ousmane, je commence par toi, Ousmane. Mhm. merci. Euh, au fait, euh, la disponibilité des acteurs, la mhm. disponibilité de, de, partenaires. Des fonds, donc. Des fonds, euh, l'utilisation, l'accès aux fonds parce que souvent le, le partenaire, il y, a ces procédures où euh, vraiment c'est un peu difficile compte tenu de l'urgence de la situation. Alors qu'aujourd'hui, le Niger a besoin hein, pour, pour l'environnement. Mais c'est la procédure pour accéder au financement qui est un peu difficile. Donc, euh, peut-être aux partenaires techniques, financiers, d'alléger un peu les procédures de financement des, projets. Ismaël, quest Gamana, que qui suis financement, abuna na Je da muke bukata zaman lahiya. Babu abun da ke yi wa duniya ga in lahiya. Kisa pour nous les ONG ko kuma ga gouvernement de kanshi har dai in ga al'umma ma da kanta wasu abubuwa ba su yi wa don wannan abu na harko ne kuma mu an tanke ONG on la responsabilité na mu yi tufer don a komo a zamna lahiya a zamna tare cikin hankali kwance mm. abu na harko kenan abu na biyu kirari ne zuwa ga, ga mutane ga, ga 'yan uwanmu wanda muke aiki tare da su kuma waɗanda muke ma aikin da kansu uh, ah, kama muna buƙatar abun ga ɗaurin goyensu muna buƙatar ce insu da mm. engagement insu e, eh, abu na ƙarshe uh, shine na finansaman kamar yadda gai il y a de plus en plus euh, de difficultés d'accès à, des ressources, à des financements. Et ça, ce n'est pas dû aux, ONG. Bon, il y a peut-être une part de, responsabilité des ONG, mm. mais il y a une grosse part de, responsabilité de nos autorités politiques. Ça, il faut vraiment le dire. C'est un autre sujet très, très. da karhinta ba a nan gaba ta karhinta don mi saboda kowa ya san da kariyar muhalli aiki ne wanda c'est pas facile quoi c'est akwai manya-manya abun ga um, entreprise wanda suna nan in an ce a yi kariyar wasu muhalli ba su yarda don mi ba su yarda saboda su ne kenan ga bannan su ne kenan ga abun ga hudda yan tiran su wurin nan kamar yadda dan uwanmu ya gai par example just an example uranium da ake fuddawa kun gani uranium yana da impact babba lahiyar jikin mutanen da ke can wurin da abun ga environnement in wurin da kanshi da dabbobin da ke wurin bref abu da yawa suna nan wanda hudda uranium inda ake nan gai a niger yana impactan shi donc in mun za mu magana eh. saman shi to yanzu bari dawo gare ki nafisa karshen mu <laughs> karshen tambayar mu ta karshe menene dokwa menene matsalar ku menene kuke su ku samu don a ce aikin ku ya je daidai daidai wanga dai canjin yanayi da muke ta magana shi abu ne an daɗe ana yi hmm. an dade ana yin shi mai mutane ba su ba sauri suka tashi suka ɗauki matacin da ya kamata yanzu ne mutane suka gane da canjin yanayin ga yana yana tushen les sector d'activité hmm. yanzu ne mutane suke nan ga nema menene ya kamata a yi don a samu a ciwon wanga matsalar hmm, kai shi yasa kuke gani abubuwa ana yin su ne amma kamar dai je reviens au niveau de de l'état c'est de, permettre beaucoup plus aux ONG aux structures euh, parce qu'ils font énormément de travail dans, dans ce domaine-là pour mener à bien leur, leur facilité d'abord, leur faciliter euh, les, choses. sur le terrain. Et également, euh, je lance un appel peut-être au niveau des partenaires, c'est pour soutenir parce que nos pays ne, produisent pas tellement de CO2 comme les autres pays. On n'est pas un pays tellement industrialisé. Le Niger fait partie des, pays qui subit en fait les effets de changement climatique parce que notre émission euh, de gaz à effet de serre n'atteint pas, elle est minime par rapport aux autres pays. Donc il est important que ces pays-là puissent soutenir nos pays pour que nos pays puissent s'adapter aux effets du changement climatique. On va accueillir Olivier. Oli, aujourd'hui on parle du froid, c'est ça Ouais, ravi. Aujourd'hui, toi, tu parles du changement climatique et moi, je veux parler d'un aspect du changement climatique et cet aspect-là, c'est bien évidemment le froid ici à Niamey et aussi à l'intérieur du pays. J'espère que vous allez bien. Frère, dis-moi, euh, ces derniers temps, tu te laves avec de l'eau froide ou bien de l'eau chaude <laughs> ah, Bon, ça dépend de l'eau euh, tiède. Ok, <laughs> super. mi chaud, mi froid. Parlant de changement climatique, il y a un rappeur que j'apprécie beaucoup, il s'appelle Medine. Il dit tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. C'est-à-dire qu'on on est tous au courant, mais personne ne veut faire des actions concrètes. Donc, euh, amis auditeurs, je vous y invite. J'avais prévu une chronique sur le froid pour parler de l'effet que peuvent avoir les baisses de température sur les activités humaines et bien évidemment l'impact sur la santé. Ah et oui, la mode à ces derniers temps, c'est du porter du pullover pas pour le look, mais pour se protéger du froid, bien évidemment, ravi. <laughs> Alors, si le corps paie le prix fort de cette baisse de température, il faut noter aussi que dans la ville de Niamey, comme partout ailleurs sur le territoire nigérien, et aussi à l'intérieur et à l'extérieur de nos frontières, le foie n'aide pas à être ponctuel au travail ou à un quelconque rendez-vous. Ou à l'école même. ou à l'école, ou à l'école. Ces derniers temps, c'est nombreux ces élèves qui partent à l'école euh, en retard. Se lever tôt pendant le foie au Sahel, hmm, c'est un défi. Et <laughs> j'ai recueilli... Ah et j'ai recueilli les avis de nos auditeurs sur la question. Je leur ai demandé et bah comment ils passent ce euh, moment de fraîcheur. On écoute. C'est vrai, se lever tôt à ces moments de fraîcheur, c'est pas du tout facile. Ouais, ouais. On a l'impression que c'est synchronisé avec le cerveau. Donc, euh, lorsqu'on dort, euh, ou bien je vais dire, euh, lorsqu'il il fait jour, on n'a pas envie de se réveiller et on remarque qu'on a plus sommeil en temps de fraîcheur. D'accord, mais on fait avec, on essaye de tout organiser et puis faire avec la fraîcheur, mais tout compte fait, vivre dans le froid, c'est mille fois meilleur que vivre dans la chaleur. Ça, c'est sûr. eh a gaskiya arlette nan arle ta sanyi gaskiya ya gwalgwado a nan sanyin nan sosai sosai amma ya rage ba kamar satin ga da ya gabata ba gaskiya satan nan da wuce gaskiya ainihin sanyin nan kwarai kwarai tun da yana hana mutane masu dan walala kuwa amma ga yanzu da alhamdulillah an nan yin shi mai ba kamar dai irin can sosai sosai din nan ba gaskiya akwai sanyi kwarai ma daga si aujourd'hui la jeunesse dénonce à ce que le gouvernement puisse prendre des, des, des, engagements et ses responsabilités doit envisager des mesures à chauffer au moins l'eau l'eau du robinet il faudrait que l'eau du robinet soit chauffée <laughs> là je crois que lui oh, il a quand l'eau du robinet il a vraiment demandé je pense que les autorités sont à l'écoute <laughs> chauffer l'eau du robinet de mon ami Déjà au début de cette chronique, je vous ai parlé du corps et qui parle du corps humain parle de la santé. C'était le 6 novembre, le studio Kalangu alertait les auditeurs. Parlons santé dans ce journal en cette période de l'installation de la saison froide des affections du système respiratoire telles que le rhume et la pneumonie touchent de nombreuses personnes un peu partout au Niger, un souci de santé qui nécessite une bonne prise en charge mais surtout des conduites à suivre pour éviter toute complication, explique le médecin-chef du district sanitaire Niamey 3, Dr Abou Abdrahman. D'abord, il y a des porteurs d'allergie, les autres affections du système respiratoire euh, allergique. cela là vraiment, il faut qu'ils identifient ce qui réveille leur maladie. Si c'est lié à la poussière, il faut qu'ils évitent la poussière. Si c'est lié à la température, il faut qu'ils évitent donc euh, des températures qui sont froides. Si c'est lié à un autre euh, allergène de type végétal ou autre, donc il faut arrivent à éviter ce genre d'allergène là Généralement, il faut surtout éviter le contact ou l'exposition à la fraîcheur euh, prolongée et l'exposition aussi à la poussière. Comment se protéger si c'est pour les enfants, les garder le plus longtemps à l'intérieur des maisons, surtout très tôt le matin et tard le soir. Et aussi porter des bonnets, des cagoules, si tant est qu'on ne peut pas les garder à l'intérieur des maisons. Et pour tout le monde, en fait, maintenant, c'est d'éviter vraiment de trop tarder la nuit dehors sous la fraîcheur. Il faut aussi se couvrir euh, des vêtements qui peuvent réchauffer le corps, les bavettes aussi. Voilà, et vous, comment le froid vous impacte Vos réponses nous intéressent. Réalisez sur nos réseaux sociaux. Studio Kalangu est présent sur Facebook, Twitter et bien évidemment sur WhatsApp. Surtout, lavez-vous. Hein. Espérons qu'on aura de l'eau chaude au robinet. Tranquille. <laughs> bye bye. Au revoir, merci Olivier là, là, on va pas chauffer le robinet, on va chauffer la fada. C'est la fin de tout ça, la fada. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions, d'avoir répondu à l'invitation. Et on tient de cet échange avec vous, les jeunes activistes ont besoin de plus d'appui, plus d'accompagnement. comme on wannan kare a ce ya hannun shi a ciki kamar a kuka gai ba wai a ce sai shugabanni bane tunda dai in abin ya lalace gona ka ce ta tabu in abin ya lalace zahin kai ne za ya tabawa kai ne kamar kuka ce ka kare muhallin da ke kusa-kusa da kai gidanka garinku jiharku ƙasarku sai lafiyar da tusa da fada sai mun ƙara haɗuwa da abokin aiki na don di il va continuer sur les mesures et perspectives kenan duka abin da ya kamata dai a yi daidan wannan kare muhallin a samu a yi shi da kyau sai mun ƙara haɗuwa ka kuma ce kuna iya aiko mana ra'ayinku bisa kan lambar mu ta whatsapp 80 88 54